Euh, l'ordonnance 93-012 en a parlé dans les articles 28, 29 et je crois 30 euh, depuis 1992. Cependant, à l'époque, quand on construisait les bâtiments, on n'a pas tenu compte de cette dimension. Puisqu'il n'existait pas de loi spécifique en faveur des personnes handicapées, il était difficile de prévoir certaines choses. Ce qui fait que les bâtiments publics n'était conçu que pour des personnes non handicapées. Quand la convention est venue, ça fait seulement 13 ans, nous avons de nouveau sollicité auprès de l'État de prendre des mesures pour que, pour toute nouvelle construction, que des dispositions soient prévues par rapport aux personnes handicapées. Vous l'avez dit dans votre article 9 mm. que l'accessibilité ne concerne pas seulement les bâtiments. Il ne s'agit pas seulement d'accessibilité physique. Mm. Nous avons l'accessibilité, par exemple, en ce qui concerne les personnes sourdes et malentendantes. Mm. Euh, à chaque fois que vous invitez une personne sourde malentendante, eh ben, il est important de prévoir un interprète en langue des signes, mm. sans quoi il n'aura pas accès à l'information. Mm. De, la, de la même manière, quand vous devez traiter avec des personnes non-voyantes, vérifiez d'abord si la personne maîtrise le braille ou pas. Sinon, il va falloir trouver un mécanisme, soit à travers le braille, mm. soit aujourd'hui avec un logiciel dans les ordinateurs et même les téléphones, iPhone, euh, tactile, etc., mm. qui permet aux personnes déficientes visuelles d'être presque à égalité avec, les autres. Et lorsque ces mesures ne sont pas prises, eh ben, l'exclusion est là. Euh, Monsieur Habibou Abdoulaye, président de la section régionale Niamey de la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap, aujourd'hui concrètement, si nous devons mettre l'accent sur l'accessibilité euh, physique, l'accessibilité aux, infrastructures publiques et privées qui ont en tout cas une vocation euh, d'intérêt général, quelles sont aujourd'hui les difficultés qu'on peut relever et Je reviens encore sur ce que euh, notre patron, notre président en train de... Le, doyen. A, le doyen a parlé tout de suite hum. sur les, les personnes eh, les, personnes sourdes. Hmm. Là encore, c'est autre, autre, autre chose. Vraiment, c'est un casse-tête. Hmm. L'État a pris l'engagement. Hmm. L'État a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et si vous prenez l'article 4, l'obligation de l'État, dès que vous voyez, c'est une obligation de l'État de garantir ces, droits-là pour ces personnes-là. Même nous, si on part à la ville de Niami, On ne peut pas accélérer. Quand vous dites vous, vous pouvez expliquer, vous voulez les personnes handicapées physiques. oui, on ne peut pas ils sont obligés de, ramper ou bien de... pour, pouvoir, euh, pouvoir monter les escaliers. Alors que dès qu'on a ratifié, dès qu'on a ratifié la convention, on doit prendre en compte de ça. on doit faire des modifications que les, les doyens entendent.